Maman, je veux me marier. Oui, papa, c'est décidé. Maman, j'ai choisi une femme à ton image. Papa, je vais te refléter devant cet ange. Les moments que tu utilisais pour couvrir maman de rose, moi, je vais utiliser ces instants pour couvrir ma femme de prose. La femme est une créature sacrée. Il m'a été demandé d'écrire sur la femme alors que je suis en panne d'inspiration. Une sécheresse de vocabulaire a heurté ma matière grise. Un désert de mots grandissant dans ma tête. Ma plume fanée, mon encre séchée. Des yeux de ma mère, j'ai vu des larmes du bonheur. De son sourire, j'ai senti de l'espoir. De son soupir, j'ai vu de l'amertume. Et de sa personne, j'ai compris que la femme est un être que tout être censé doit parcourir avec tendresse et elle est issue normale de la côte gauche de l'homme, cette côte-là, cette partie. Donc près du cœur pour être aimé et sous le bras pour être protégé. Ah la femme est honorée sur cette émission. À toutes les femmes qui kiffent cette émission un peu partout, merci déjà pour tout ce que vous faites pour nous. Elle nous a mis au monde. Elle nous a bercés. Elle nous a portés au dos. Elle continue à nous soutenir. Elle a de l'amour pur pour nous. L'artiste Was Nas Vous, vous rappelez certainement de Las Parolier. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Nous avions évoqué euh, l'état civil de l'artiste sur l'émission. Vous vous rappelez certainement de lui. Aujourd'hui, nous allons le recevoir pour parler du parcours du combattant, de ses chansons, de ses contenus. Les Wasnas, Dondi la machine, te souhaite la, bienvenue sur cette émission une fois de plus. Eh, tu es en forme, j'espère bien que tu es debout, tu es Nous sommes dimanche et les jeunes kiffent cette émission à travers le site du studio Kalangu. On va commencer par le commencement. Quand est-ce que ça a commencé On l'a eu hier sur l'émission. Mais avec quoi tu as commencé C'est ce qu'on n'a pas eu. Parce que là, on parle un peu de tes chansons, tes contenus, de tout ce qui va avec ta musique. Par quoi tu as commencé Oh, les textes. C'est quand qui se transforme en quoi sur le deuxième angle Quoi en fait, j'ai carrément oublié mon, premier, mon tout premier texte. Hein. Ah ben comment ça <laughs> Oui, là, c'est un texte qui fait euh, Mon Afrique en cirque. Voilà, donc du coup, ça parle du continent africain. Ça parle du continent africain. Afrique, berceau de l'humanité. 30 ans de guerre dans la misère. on t'a trompé, on t'a utilisé. Contre toi pour te massacrer, tu te rappelles de cette chanson <laughs> Exactement. Vous avez tout chanté pour l'Afrique, hein? Maman Barcapé à son âme. Oui, oui. La mort n'est pas une échec définitif à la vie. Jamais. Tu peux mourir et continuer à vivre à travers tes œuvres. C'est ça l'important. Tu as commencé par l'Afrique, seul ou bien avec ton groupe Non, seul. Seul Oui, seul. Donc tu as commencé la carrière, euh, euh, n'est-ce pas, euh, musicale solo oui, effectivement, avant de rencontrer les gars. Avant de rencontrer les gars. Vous allez me rencontrer ou disons me raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Eh, ça fait des rimes. Hein. <laughs> Vous allez me raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. ouais, bien sûr. <laughs> Comment, ça ça s'est passé Comment ça s'est passé Ouais, bien sûr, ouais. <laughs> Explique-moi un peu. Bon, en fait, c'est à l'université. Ok. je, devais intégrer la CAC en tant que slammer et Bou Style à l'époque était, euh, il était en charge de l'art oratoire. Oui. Et ils étaient avec Prudence Nabil. Prudence Nabil. Alors on vient à la présentation, ils disent que je dois faire quelque chose. faire mes preuves quoi. Faire tes preuves, bien sûr, pour montrer que tu as les flots qu'il faut, à la place qu'il faut. et et c'est là-bas que vous êtes rencontrés. On n'a pas assez de temps. <laughs> Et qu'est-ce que vous avez commencé par chanter ensemble euh, C'était. Euh, ils ont brûlé, violé, divisé et désunis. Ok, c'était ça euh, votre première chanson Oui, oui. Super. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu as fait aussi avec ton groupe C'est important de mentionner tout sur cette émission pour que les jeunes qui nous kiffent puissent, n'est-ce pas, aussi découvrir tes flots. Ou comment est-ce que tu as évolué au sein de la formation Conscience Plus, entre autres, c'est plus. Oui, au fait, c'est le seul single qu'on a pu faire avec Boost Style. Ok. Et Boost Style, il a bougé. Il a bougé. Boost Style a été boosté. <laughs> oui, oui. Oh, par autre chose. Oui, par autre chose. Du coup, on, a, on devait continuer avec Prudence Nabil. Ok. Toujours dans Conscience Et vous avez continué avec Prudence Nabil Oui. Ok, super. Maintenant, avec Prudence Nabil, qu'est-ce que vous avez fait concrètement Il y avait Ombre. On a commencé par Ombre et Rêve, d'un enfant. Ok. Ombre, c'était quoi déjà le truc On peut avoir quelques flots de l'ombre sur cette émission Ombre. Ah, ok lumière de ma pensée, reflet de mes envies, mhm. mon soleil de minuit. Okay. Tel le sucre de mon gari, le piment de toutes mes sauces, le miel de ma vie. Dans le ciel, il y a des nuages. Dans le désert, il y a des mirages. Mais dans mon cœur, il y a ton visage. La terre tourne autour du soleil, ma vie tourne autour de toi. Et ta connaissance m'a permis de connaître la vraie définition du mot amour. Apparemment, vous avez chanté trop pour la femme. J'aime bien ça. Ok, d'accord. En dehors de ça, qu'est-ce que vous avez chanté avec euh, conscience plus C'est important. Il y avait Rêve d'un enfant. Rêve d'un enfant. C'est quoi le rêve de cet enfant sur cette émission Quand je serai grand, ok, je serai magicien. Ok. Et non, quand je serai grand, je serai musicien. Mhm. Voilà les mots d'un premier rêve. Mhm. Voilà le rêve d'un enfant de 12 ans. Ok Et plus le temps passe, plus la vie devient difficile. Et plus le temps passe, plus je prends de l'âge. T'as 20 ans, Dauda, tu dois apprendre un métier. T'as 20 ans, Dauda, tu dois apprendre à t'occuper de la famille. Tout à fait. Voilà les mots d'un père aimant, ouais. juste bon. Daouda, c'est mon nom. Je sais pas, si tu viens de l'improviser, mais c'est mon nom. Si tu chantes pour moi, moi, déjà à 20 ans, j'ai appris à animer parce que, je, au fait, euh, j'ai aussi rêvé de devenir un jour, euh, n'est-ce pas, juge, magistrat et tout ce qui va avec parce que j'ai étudié le droit à l'Université Abou de Niamey. Eh aujourd'hui, je me retrouve, je suis trop fier de ce que je fais. Là, je fais une mention spéciale à tous ceux qui nous kiffent aussi. Je fais une mention spéciale à, tous ceux qui aussi ont, ont au début voulu être avocat, juge, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans les maquillages et consorts. C'est aussi ça. <laughs> Apprendre les métiers c'est important. <laughs> Ainsi va la vie, <laughs> bien sûr. C'est très important. Alors, euh, euh, Miss Lass, tout qu'on fait, en effet, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Bien sûr. Après, qu'est-ce que tu as fait Comme euh. chanson avec Constance Plus Ou bien il y a eu dislocation ou qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous un peu. Non, avant la dislocation, on avait beaucoup de chansons officieusement. Ok. Il y avait Téléphone dansé, il y avait euh, Misérable. <laughs> Quand je me souviens que Misérable, c'était le nom qu'on a voulu donner au groupe parce que les textes étaient tellement bien et Nabil a voulu qu'on donne Misérable au groupe. Tout le monde a fait non, non, on n'est pas des misérables. on va cette fois-ci parler de la carrière solo de l'artiste, mesdames et messieurs, parce que tout ce qu'on veut de citer, c'était donc avec son groupe Conscience Plus. Après, tu t'es retrouvé seul oui. et tu as commencé par nous livrer quoi quand euh, J'ai commencé d'abord par. Euh, euh, il y avait autour du thé. Autour, du thé, je viens, je viens de le clipper. Je suis présentement en On peut avoir autour du thé sur cette émission Oh yes. Ok. Tout est question de temps. Mhm. Le temps <laughs> Oh oui, le temps. Mais jusqu'à quand vas-tu cesser de dire I'm still waiting for my time Le temps ne s'attend pas. Le temps, c'est de l'argent. T'as d'argent, t'as des gens, t'as pas d'argent. Oh shit, tu es dérangeant. Franchement, j'aime l'argent le luxe et la classe. Je déteste travailler. Alors j'appelle grand frère au state. Hey frérot, envoie-moi des nouvelles baskets, mais aussi des casquettes. Je vais niquer toutes les fêtes. Au bout du fil, j'entends mon frère qui me dit hmm, chante bien. Pendant que vous, vous êtes en fête, nous, nous sommes encore en pleine quête. Autour du thé, j'ai appris une vérité. Wanda Bay Jogol, Alors, gare aux objets négligés, et ne me parlez plus de vos outils. Autour du thé, dites-vous par là que la vie est un combat. La vie est un éternel combat, il faut savoir contrer les coups, quelle que soit la provenance. Et les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. On tombe, on se relève. On te tue comme un enfant qui apprend à marcher jusqu'à la destination. La vie, c'est la traversée du désert. Autour du thé, c'était ça. Et j'ai beaucoup aimé. En dehors de autour du thé, qu'est-ce que tu as encore présenté il y avait Chi, un Chi, Chi a featuring avec Safiat. C'est important. Alors on va kiffer un peu Chi sur cette émission avec la permission de Mr. Ayuba, qui est de l'autre côté aussi de Saini. Qui regarde cette émission On kiffe un peu Chi. On revient dans un instant sur cette émission. Chi. Chaque femme est une vie qu'on veut belle. Et chaque vie est une femme que l'on veut. Ok, si C'était quoi le truc au fait euh, L'idée vient de. L'idée vient de moi. Ok. C'est déjà un très vieux texte. Ok. Je, me souviens, mais quand j'ai décidé d'aller en solo, j'ai décidé de ramener tous les textes que j'avais en pêle-mêle. Et du coup, j'avais, j'avais voulu avoir quelqu'un qui manie bien la langue anglaise. Parce que les refrains devaient être en anglais. Quand mhm. j'ai pensé à d'autres artistes, euh, ben, c'était pas trop ça. Alors je me suis dit pourquoi pas Safia, faire Parce que je l'ai déjà toujours kiffé. Ok. Euh, j'ai kiffé beaucoup de featuring qu'elle a. Bon, il y a le featuring et il y a ses chansons à elle. Quand j'écoute Hate Me Slowly, j'ai écouté euh, Joker. J'ai écouté en tout cas beaucoup beaucoup de ses chansons. Et ça a marché, ça a pris le featuring et déjà YouTube c'est ça Bien sûr, bien sûr. Actuellement, c'est mon son qui a le plus de vues. Super, vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment bien. Maintenant, en dehors de Chi, qu'est-ce que tu as encore fait J'ai fait Ramaslam. Ok, d'accord. Ramaslam, c'était pendant Ramadan et c'était pour dire à tous les frères et sœurs que cela, c'était pour montrer un angle de moi encore qui n'est pas ce que les gens savaient déjà. C'est beaucoup plus islamique. Et c'est pour dire que l'islam, c'est pas juste pour Ramadan, c'est au-delà, quoi, c'est toute la vie. Je suis d'accord avec toi. <laughs> Eh, tu as fait le tour, hein On a fait le tour avec toi, nous sommes à la fin. <laughs> Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous qui nous kiffent Un message de fin, au lieu de la jeunesse nigérienne Un message qui vient du fond de toi, de tes entrailles ah, Le message, c'est de ne jamais se décourager dans tout ce que vous faites dans la vie, mais de savoir aussi que c'est important pour nous autres qui comptons sur tout le monde ce n'est pas parce qu'on l'a choisi, mais c'est quelque chose qui s'est imposé en nous, c'est le destin. C'est comme le dit un artiste, euh, ne me juge pas, c'est plus compliqué que tu ne le penses, c'est plus fort que vous ne le pensez. Soutenez-nous et priez pour que tous ensemble on réussisse. Et...